Fada, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette émission. de Zamanin L'évolution des moyens de communication aujourd'hui dans une dynamique irréversible et celle du téléphone portable encore plus. C'est clairement le moyen de communication le plus utilisé. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce que le téléphone, cet outil s'invite à l'école, dans les classes, pendant les cours. da suke makarantu ya zama wata matsala. Mushannin da magabata masu kula karatu ke À la on se demande si les élèves et les parents d'élèves se rendent compte des conséquences néfastes de cet outil sur la qualité de l'éducation su kuma makarantun suna da iko da halin yaƙi da wannan al'amarin ku bi mu sau kafa cikin wannan shirin da muka dora a nan lise ɗan baskore de maradi Comme invité sur cette émission, je suis en compagnie de Lawali Sani, vice-président régional de l'Association des parents d'élèves et étudiants de la région de Maradi, Yahya Sani Rahila, elle est en classe de terminale A. Moutari Sambo Zainab en classe de première C. Ousmane Kabiru Ousmane en classe de première C. Abdul Karim Oumarou, élève en classe de première A. Et Mamamani, le proviseur du lycée d'Ambascoré de Maradi, merci encore pour la mobilisation. La FADA, c'est également la musique, la rubrique est rose et la chronique de l'émission Tous à la FADA. À Niger, à de salula la situation de votre établissement par rapport à cette question pendant les cours en classe est-ce que c'est un problème récurrent où il y a un règlement intérieur qui cadre tout ça là comment ça se passe ici monsieur le euh, proviseur madam uh, mun gode da wannan tambaya da kin mana bisa ga unhwanin da ake yi da wayar salula a nan cikin makarantoci mu dai uh, abun da muka sani cikin rigilman antirar kuduri akwai shi wanda ya hana a yi unhwani da waya a cikin kalas saboda in muka kama yaro wayan na amshi ta muke sai shekara ta ƙare sannan mu bashi dai kenan na biyu eh, en region le gouvernement a pris une décision ta duk yaron da aka kama da waya a yi sanksiyonin shi kenan a cikin kilas ko kana da waya kashe ta zakai ba mu hana ka kai unhwani da ita a or de la class amma a cikin kilas ka da yancin kai unhwani da ita ita waya matsala gare ta amma kuma tana da unhwani saboda unhwaninta yana da yawa kuma matsalolin take jawowa yana da yawa surtu ga ɗiya mata unhwanin da gare ta bisa ga ci gaban makaranta waɗanda suke iya unhwani da Eh, application na kwarai tana ƙara su kwarai ga karatunsu tana ƙara su mai waɗanda ba san eh, application da za ta ƙara su ba to tana ɓata eh, yanayin rayuwarsu. Justement zan mu zo bisa kan yayan da ake iya amfani da ita don ci gaban karatu ba nan taɓarɓarewar shi ba yanzu zan zo ga masu salula. Ok, les proprios de téléphones. Qu'est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous faites de ça à l'école au fait? Vous en avez vraiment besoin en classe? ko kuma kuna iya kimtsuwa cikin klas ko aji hankalinku ku shurarin wushe in hannu mai kuke da salula cikin klas mashiri salamu alaikum wa alaikum salam ga mu sunanki ki. Shamsi jibo tu es en quelle klas tede Tede. a wai su c'est chaud ok ga mu in hannu mai kuke da salula a klas bon en mu a dai ba ne amfani da portable en classe mais vraiment le téléphone m'aide à la maison pour mes recherches. Ok. Et puis, c'est vrai que le téléphone empêche un élève d'étudier. Et puis, le téléphone aide un enfant à étudier. Et c'est vrai. Puisque quand tu pars à la maison, il y a des romans. Si tu n'as pas le droit de partir à la bibliothèque, tu, tu as besoin de faire des recherches. Et puis sur les livres scientifiques, oui, tu fais tes recherches. Hmm. Et puis tu trouves tout ce dont tu as besoin. Non. classe Vous êtes plus euh, concentration, concentration, quand on a WhatsApp, WhatsApp. Ah non, <laughs> <laughs> l'utilisation des, téléphones portables en classe rend pas réussie en fait.

lorsqu'on finit à la fin kai in dai kana da téléphone cikin class to ba ka bibiya ka ida rubuta plus qu'on on écrit on on aura plus de compréhension samu kuren da akai to amma ba rubuta sai a ce a dauki foton an je gida an ga rubuta da sauransu to ka dai gidan fa ba rubuta za ka ba gaskiya equal waya da equal cikin equal ba ma kawai ragu take mai da mutum kawai ba ta barin shi karatu okay les filles c'est comment Comment tu l'utilises vraiment toi le téléphone Tu l'utilises euh, dans les cadres des études, tu l'utilises comment Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Yasmina. Hmm. vraiment, moi, j'utilise mon téléphone à, la maison en cas de recherche. Et parce qu'on utilise le téléphone, c'est dans deux cas. Ana kenan sai in mutum ya so ya lalace ne kuma zai lalace mhm. tunda ni gaskiya ban na aiki da waya a ecole saboda an yi interdit kuma ya kamata a bi gulma mai ala maison ina utiliser pour faire mes études kuma ina yi dan zumunci saboda whatsapp ala maison certainement ina yi dan a hada zumunci kuma yana da kyau kenan dan kote yana da kyau kuma dan kote idan ka ga dama kuma kana aika yi shi abin nan kote negative kenan Là, on écoute hein, des élèves qui semblent être vraiment euh, conscients de l'utilisation, comment ils doivent utiliser le téléphone. D'accord, c'est ce qu'on va faire. On va aller avec la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Salut les filles, comment allez-vous Dans l'espace à beauté de ce soir, on va parler des vêtements et leurs matières. Quels vêtements et matières choisir contre la transpiration L'effort à chaleur favorise la transpiration. Pour éviter de se retrouver trempé, il convient de porter des vêtements adoptés, mais aussi d'éviter des erreurs simples qui peuvent conduire à des désagréments. Porter des vêtements amples. Les vêtements amples laissent circuler l'air plus facilement et favorisent l'évaporation de la transpiration. Choisir des tissus légers. Pour le quotidien préférez des matières naturelles comme le lin ou le coton qui laisse la peau transpirer et sèche rapidement. Un tissu en coton absorbe ainsi 10 à 20% d'humidité contre à peine 3% pour le polyester ou 5% pour le polyimida. En revanche, elle n'évacue pas l'humidité pour le sport. Il existe des tissus techniques spécialement conçus pour évacuer la transpiration comme le colmassa, dont les fibres avec canaux en surface évitent le contact avec la peau. Changer de vêtements fréquemment. La cire composée d'eau, de lipides, phéromones et d'autres déchets métaboliques entraîne l'apparition de mauvaises odeurs. Une fois en contact avec les bactéries présentes sur la peau, il est donc nécessaire d'échanger plus fréquemment de vêtements, plusieurs fois par jour quand on fait du sport c'est tout pour l'espace beauté de ce samedi. Passons à présent à l'espace santé et bien-être avec Samira Rouafi. Alors, euh, salut tout le monde. Euh, on va parler de méditation. D'abord, euh, qu'est-ce que c'est que la méditation La méditation est une sagesse spirituelle universelle. C'est aussi une pratique que l'on retrouve au cœur de toutes les grandes traditions religieuses. Elle conduit le pratiquant du mental au cœur et à l'intégration de ces deux centres de l'être humain. Il ne s'agit pas d'une pratique ésotérique compliquée ni particulièrement difficile. C'est un processus d'apprentissage dont la plus grande part euh, consiste à désapprendre les réponses conditionnées et imaginaires à la réalité. Alors, comment méditer La méditation est quelque chose que tout le monde peut faire. Voici comment. Asseyez-vous, restez assis, le dos droit. Fermez légèrement les yeux. Puis, intérieurement, en silence, commencez à réciter un seul mot, un mot de prière ou mantra ça dépend de votre croyance. Le mantra est une ancienne et puissante pratique spirituelle. Respirez normalement et donnez toute votre attention au mot pendant que vous le dites, silencieusement, doucement, fidèlement et surtout simplement. L'essence de la méditation est la simplicité. Restez avec le même mot pendant toute la méditation et lors de chaque méditation, jour après jour. Ne visualisez pas, mais écoutez le mot en le disant. Laissez partir euh, toutes les pensées, euh, même les bonnes, les images et autres paroles. Ne luttez pas contre vos distractions. Laissez-les partir en disant votre mot fidèlement, doucement et attentivement et en y revenant dès que vous vous rendez compte que vous avez cessé de le dire ou lorsque votre attention s'égare. À quelle fréquence hein, dois-je méditer par exemple Méditer deux fois par jour, matin et soir, pendant 20 à 30 minutes. Cela peut prendre un certain temps pour développer cette discipline. Le soutien d'une tradition et d'une communauté est toujours utile. Alors c'est tout pour la rubrique 3 de ce samedi. Je veux passer ma vie à te regarder. aujourd'hui s'est installée au lycée d'Ambascori et on parle du téléphone portable. Et la FADA, on parle des sujets qui fâchent et des sujets qui plaisent. Le téléphone portable qui devient un problème quand il est utilisé dans les classes. un ke de da shi ƙudurin euh, makarantar wannan bisa kan amfani da ake da salula cikin lakol duka wannan dai munshi yanzu za mu a wajen faran da lef muna so mu sani yanzu <clears throat> ya ne uwaye suke accompagnant kwamfanyan mu shika tunda dai yanzu professeur ya gayya ce akwai kuduri ma in aka gane ka da salula to amshe ta za a yi sai shekara fa ta kare fa salula nan tana cikin tiruwar aje to ku uwayen diya wasu su ne za a ce ma su ne masu sayan salula <laughs> ya kuke kama ma mu shika cikin wannan yakin da suke da unhwani da salula cikin class ina so in sani mhm. to salamu alaikum mhm. eh, lalle mu a matsayin mu na wakilan uwan yara mun san da ke zowa da salula a cikin lakwal doka ce ita wannan doka ba ma kowa yi ta ba asambile ta yi ta ta hana zowa da salula lakwal har yanzu mu muna da laihi mu uwaye babban mu yau mun sani sai mu ƙi sani ko kuma yau an shifar tablikin yaro a ajiye cikin etablisman mu zo tarbansiyon mu ce a bashi tawa ce ya dauko ko kuma ta wancan ce ya dauko nan ma ba karamin lahi ba ne muke yi amma wajen kama ma mushina lalle bakin gwalgwado biro na cikin etablissement yana bakin kokarin shi ke in faran suka zo an san portable din nan suna wayan masu da kai a portable kin nan doka ce ta ba da damar yau in yaro ya zo da shi a cikin lakwal a anshe shi sai karshen shekara a bashi wannan portable yau mu a matsayin mu na association de parents de lab regional muna sensibilisation saboda muna da dan hili dama cikin radiyoyi pribe wanga muna ɗan kwatanta ma uwaye ke salula ga yaro matsala ce kuma kai in ma ka ga yaro da salula in ba kai ka ta bincika shi daga ina ya same ta kuma ta wace hanya ne ma yaro ya zo da salula dan bisa wannan muna sensibilisation kuma aka yi rantire muna bi kalas par kalas muna sensibilisation ga yara muna kwatanta musu doka ta salula da yawo da salula duka ba alheri ba ne saboda ita waga tana zama kamar shaidaniya ce ga mutum kuma tana zama a wani abin alheri ne ga mutum to mu yanzu a matsayinmu na uwaye da da aka yi lakwal babu wagga ba da ita ake lakwal ba amma an kika ɗauki majoritan masu ilimi din nada ne mu yanzu mutanenmu na yanzu ke ana yi da bakin gwalgwado amma su waɗancan na bada suka yi ta ba portable me yasa suka samu ilimi shine abin da muke gwada ma yara a dole in kana da niyyar karatu ba sai da portable ba ka tsaya ka yi karatu kenan portable lokacin da allah sa ƙara karatu kana iya ɗauka abin ka yi duk abin da za ka yanzu shi saman kun yi zancen an mishi salula da ake yi in an gane ta to ina so in sani comment les élèves réagissent face ou voilà c'est comme ça ça se passe bien comment les professeurs gèrent-ils euh, cette situation monsieur le proviseur euh, merci euh... mm -hmm. da radio kalangu eh, ita doka da an tsaida ta kenan kowa sai ya yi pliye gare ta yaro in muka amshi waya shi abu biyu ne in ya zo muna buri sai mu ce da shi da waya su ta gidansu tunda baya taka doka gare mu in kuma yar doka ya tsaya bar waya sai shi karshen shekara kuma su mu shuna mun ba su incin da da uzuni da duk yaron da suka gani da waya buɗe a cikin kala su kwato mana ita kenan kin bin doka kama ya zamanto rishin tsari ne ga lakwal kenan dole ne mutane su bi wannan doka dole ne a bita kuma doka ta kowa ce ta mu ce ta ku ce tana gyara kowa ba mu muka yi ta ba ƙasa ci gaba da ta sha wannan niyya kenan ana son tsari ya ta yi dole ne sai an kiyaye mhm. Monsieur le proviseur oui maintenant un point qui nous intéresse vraiment mhm. on aimerait bien comprendre comment l'utilisation des téléphones portables impacte le rendement des élèves euh, merci mhm. il y a deux aspects il y a l'impact positif et il y a l'impact négatif okay. da l'usage du portable in aka yi da waya akwai eh, wanda yake gyara yara saboda yau lalle in aka yi sondaji ta sa'an nan karatun da muka yi mu uwayensu ba su yin shanzu saboda mu a lokacin babu waya mai amma muna da niyya to waya ta kawo abu da yawa wanda ke hana yara su yi karatu dukkan lokacinsu mai yawa ga waya suke ba da shi shi kuma ana so yaro ya tsaya ya nutsu shi karatun roman ya karanta littattafai sa'annan za a samu ilimi me in ya tsaya ga application din waya ta kadai ba ta isa shi na biyu kuma cikin application kin nan akwai aspect très sensationnel et négatif. wanda yara sun yi unwani da shi da aspect positif na waya to wannan shi ke sa yana impacte bisa ga karatun su ole su ba da lokaci ga karatu sai su ba da lokaci ga waya kenan kaga bai tsaya da kyau Ouais. Les filles, je reviens vers vous. Congé provisoire, Yagaï. Euh, plus tu passes du temps sur le téléphone, plus ton rendement il est affecté. Qui peut me dire à quel moment il a senti que le téléphone est en train de le dérouter de ses objectifs, qu'il n'arrive pas à se concentrer à cause de son téléphone. Mhm. À tu Emmada. coup? qui m'appelle Bon, à propos du téléphone, mm. j'ai constaté quelque chose. Quand je me connecte, je ne me concentre pas sur mes études. Et quand je ne me connecte pas, je suis toujours sur le cahier toujours. Mais quand je me connecte, je prends même pas mon cahier. Ok, donc tu peux passer, si tu passes une journée à te connecter, tu n'as plus envie de prendre ton cahier. J'ai même, plus, même plus l'amour du travail, c'est ça. Ah ouais Mais quand je ne connecte pas, mais j'ai l'amour du travail. Et eh, mes gars sont allés, <laughs> <laughs> c'est ça. ok, il y a une qui a un témoignage à nous partager, ma chérie. Gayam. ko umfani da telefon yana dan girgiza miki karatun da ake tsarin karatunki a an momentu ya santi sau fa salamu alaikum wa alaikum salam karatuna musu nan faridat faridat aha to ina jinki bon gaskiya komi niya ne in ka san abin da yake gaban ka ka bashi muhimmanci ba ta yi wa kai concentrate saman kan a fare kadai ah. saboda shi a fare lokaci gare shi shi kuma karatu bai jiran ka sai dai sa ka rutar kenan in ka ba abin muhimmanci ka san da karatun ne yana gaban ka shine dai gaban ka kenan kana iya aje a hammancewa da shi kana iya yi ka aje shi kai karatu in kuma karatun ne ka ba gaba dole ka mance ka yi dan komi niyya ne kuma sa kai ne komi niyya ne kuma sa kai ne <clears throat> okay kun jire yan matan namu sun ce komi niyya ne sa kai ne kenan c'est pas vraiment le téléphone c'est vraiment une décision personnelle de laisser ses cahiers pour euh, voilà pour le téléphone tu as un mot à dire Et Hakim. Vraiment, moi, je ne peux même pas travailler avec un, téléphone ici à l'école. Ok. Oui. Parce que j'ai même peur de sortir. parce que j'ai même peur de sortir mon phone ici à l'école, surtout dans la classe. À quoi tu es À quoi tu es micro. À, forte raison même d'utiliser de, l'utiliser comme pour comprendre des choses, des ou chercher trucher, quelque chose comme si nous sommes en plein de, en plein d'interrogations ou de, des évaluations ben c'est un inconvénient à vrai dire que kana tsoron ma tentation kin oui j'ai parce ma ma kan yemo ma avoir envie de <laughs> mais ça c'est bien c'est prudent ça ce qu'on va faire on va aller en musique on est toujours avec les Naija on va aller avec le dernier son de Davido Inavailable indisponible et je vous passe cette chanson pour que vous soyez vraiment indisponible sur vos téléphones en classe on écoute on se reprend juste après process. I'm on a avec nous aujourd'hui disent qu'ils sont aussi indisponibles en classe. Ça, c'est bien ça. Tant mieux pour, pour eux et tant mieux pour les professeurs qui n'ont pas à jouer aux gendarmes. Voilà, aujourd'hui à la FADA, on parle du téléphone portable. On fait de ake à makaranta. Lokacin karatu, mushe na magana kai kana shuraren audio. Mushe na magana ekutar cikin hijabi kana shuraren audio. Yanzu, abin da nake so in tambaye ku, monsieur le professeur, comment ils peuvent vraiment utiliser cet outil à bon escient euh, c'est très facile. Euh, on peut très bien utiliser euh, le portable sans faire du mal en soi-même. Premièrement, ses avantages, ils peuvent utiliser uniquement les applications positives qui vont dans le sens d'améliorer leur niveau intellectuel. Ah, il y en a plein, genre les dictionnaires. Oui, il y a des dictionnaires, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'applications qui peuvent les aider à étudier. Deuxièmement, euh, du point de vue aussi religieux, à travers les audios et les prêches, ils peuvent s'en servir également. Ça peut les moraliser, ça peut les sensibiliser, mais en excluant toutes les applications nocives, puisque ça en a beaucoup. Ah a beaucoup. Voilà en substance comment elles peuvent faire usage du portable et à l'éviter en classe. Parce que nous avons de tout indiqué que le port de portable à l'école est strictement interdit selon euh, un des articles de, de notre règlement intérieur, alors l'amener en classe, c'est même violer le principe. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne vous empêchons pas de l'amener dans vos sacs, mais de ne pas l'ouvrir en classe. Voilà le principe. Merci. D'accord. Quelqu'un ici peut me dire comment elle utilise bien son téléphone dans le cadre de ses études Là, le proviseur vient juste parler des applications qui aident vraiment les étudiants dans, dans ce qu'ils font, dans leurs recherches, dans leurs travaux. Ma chérie, dis-moi ton nom. Malika, ok, j'aimerais bien savoir comment toi tu utilises euh, ton téléphone dans le sens où il doit t'aider pour les études et pas dans l'autre sens. Euh, bah, je fais que des recherches. Ok. Par rapport aux ce qu'on donne à l'école. Hmm. C'est ça que je fais. Tu as des applications vraiment qui t'aident euh, dans les études, c'est ça Oui. Mais chérie, parlons applications. Vous en avez combien <laughs> qui vous aident dans les études Le micro voilà. En tout cas, moi, je n'ai même pas de téléphone portable. Moi ton nom euh, Fikira. Fikira n'as même pas de téléphone portable du tout Je pense que maman kuma da aka bari suka ah, un portable ne suka ni ah ba Ah, ma whatsapp ma miki hankali ga dans le cadre de tes études mais qui est vraiment on va se dire vraiment la vérité. La vérité. La vraie vérité. Est-ce que tu as des applications qui t'aident pour comprendre les cours ou euh, comment tu l'utilises vraiment Oui, il y en a de, beaucoup des applications. Comment était ma camini, comment dictionnaire, mhm. de téléchargement, il y un bas de comment quoi exposer à mm, ouvrage, ok. Ouvrage. Bibliothèque comment... mobile, c'est ça mm. D'accord. Comment quoi message appel whatsapp snap etc etc voilà <laughs> ok super Top. on dit whatsapp whatsapp elle vient juste de parler de whatsapp whatsapp ça aide aussi il paraît qu'il y a des groupes whatsapp non pour où on travaille dessus ah ouais. Je ne peux pas étudier sans mon portable, hein, madame. Ah, ah. ah oui, puisque je, quand j'apprends mes leçons, quand j'apprends mes leçons, je ne vais pas laisser un flou là où je n'avais pas, pas compris. Ah, ok, tu fais automatiquement une recherche pour je même si on, nous a fait des cours en classe, en partant, en allant à la maison, pour, euh, lorsque j'apprends mes leçons, je vérifierai pour, comprendre totalement ce qui, a été, qui a été fait dans la classe. C'est pourquoi ah je ne peux même pas faire 30 minutes avec, euh, sans mon portable. J'espère que c'est juste ça. C'est juste ça. Bah, ah, en tant que candidat, en tant qu'élève, qu'est-ce que vous diriez aux autres par rapport à cette thématique Vous avez un mot en particulier mm, eh Oui, eh, bien évidemment. Donc il faut que tout un chacun, en tout cas, soit capable de se conscientiser. On n'a même pas besoin de sensibilisation vraiment. En tant qu'élève de terminale, toute, toute personne, tous les élèves, toutes les, tous les élèves de terminale on considère qu'ils ont atteint les 18 ans, voire plus. Donc, en tant que, qu'adolescent de 18 ans, là, tu sais ce que tu veux dans la vie. Et le téléphone portable, on a bien vu à travers le passage des différentes personnes que le téléphone portable a des avantages tout comme des inconvénients. Donc pour un élève de terminal, mais qu'est-ce que ça va lui coûter d'être patient, d'utiliser le téléphone portable dans ses dans son côté positif. Nous avons Google. À travers Google ou VidMat, quelque chose du genre comme ça, tu peux télécharger. Là-bas, euh, il y a École au Sénégal, c'est un site sur lequel tu peux télécharger des vidéos, si c'est la mathématique, la science physique ou science de la vie et de la terre. Là-bas, l'enseignant t'explique plus qu'on ne te le fait à l'école. Parce qu'on on sait très bien que même parmi les enseignants, il y a les enseignants. C'est la pédagogie qui caractérise l'enseignant. Et donc, sur YouTube, on ne laisse pas passer n'importe quelle vidéo. Donc, sur ces sites-là, ou bien euh, ça pour ceux, qui veulent préparer le concours de la statistique, tout ça, on peut. Et la statistique. Mais il est bien informé, hein? Et tout ça, mais. Dès que tu es excellent, tu vas réussir le concours. Et quand tu as reçu le concours, l'avenir est garanti. Si c'est un scientifique, même si tu ne réussis pas le concours, le bac est garanti parce que tellement tu vas Tellement on apprend. Oui, effectivement, à travers, à, travers les recherches, à travers les exercices. C'est un peu ça le truc, en fait. Et eh bien, c'est même pas ça. Il y a d'autres facteurs. Donc, le temps ne va pas nous permettre, en tout cas, d'aller là-dessus. D'aller là-dessus, mais. Vraiment, c'est clair. Le téléphone, on peut l'utiliser pour aller vraiment très très loin dans ses études, pour réaliser ses rêves, pour, euh, voilà, pour avoir des bourses, pour intégrer des écoles formidables. On entend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de bons plans. <laughs> Uh-huh. Ok, téléphone pas téléphone, à quoi la <laughs> faut e. parce que c'est à travers son utilisation que tu passes dans les côtés positifs tout comme négatifs. Voilà ça, ça dépend de la personne qui Ça dépend de et Ça dépend de celui qui clique. Tu peux cliquer dans le bon truc. situation l'utiliser. Ouais, ouais, voilà. Donc tu peux cliquer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, c'était euh, l'émission Tous à la fin avec les élèves du lycée d'Ambascoré de Maradi. Merci encore pour l'accueil charmant. Merci pour euh, votre mobilisation, votre intérêt. Et euh, franchement, c'était quelque chose de discuter avec vous. Mais avant de se dire au revoir, on va accueillir la chronique de l'émission Tous à la Fada. Et voilà, on se dit bye bye à une autre fois, une autre aventure à vos côtés. Chers amis jeunes de la FADA, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du courage qui est la clé de l'audace et de la résilience. Dans notre société moderne où la peur et l'incertitude sont souvent présentes, le courage est une qualité rare et précieuse. Il est le moteur qui pousse les individus à aller au-delà de leurs limites, à affronter leurs peurs et à surmonter les obstacles. Le courage est un trait distinctif des héros, des visionnaires et des personnes qui osent défier les conventions pour créer un changement positif dans le monde. Le courage ne se résume pas à l'absence de peur, mais plutôt à la volonté de faire face à cette peur malgré les conséquences potentielles. Il s'agit d'un acte de bravoure qui nécessite une grande force intérieure et une conviction profonde en ses valeurs et à ses idéaux. Le courage peut se manifester de différentes manières, que ce soit en prenant position pour une cause juste, en s'exprimant contre l'injustice ou en faisant face à des défis personnels difficiles. De nombreux exemples illustrent le courage sous différentes formes. Exemple l'histoire de Malala Yousafzai, la jeune militante pakistanaise pour le droit des filles à l'éducation, est un exemple éloquent. Malgré les menaces constantes et les attaques contre sa vie, elle a continué à défendre fermement son droit fondamental à l'éducation. Son courage a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a contribué à attirer attirer l'attention internationale sur la situation des filles privées d'éducation. Un autre exemple remarquable de courage est celui des lanceurs d'alerte, ces personnes qui risquent leur carrière, leur réputation et parfois même leur vie pour dénoncer des actes répréhensibles. Edward Snowden, ancien agent de la NSA, est l'un de ces lanceurs d'alerte. En relevant les pratiques de surveillance de masse du gouvernement américain, il a sacrifié sa vie telle qu'il la connaissait, préférant agir pour l'intérêt général plutôt que de rester silencieux face à des violations de la vie privée des citoyens. Eh bien, chers euh, amis jeunes, c'est avec ces exemples qu'on va se dire au revoir. On se retrouve demain pour la suite. C'était la chronique de l'émission de Salafada. Zamuche, sai kuma Allah ya shiri La Fada vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans les examens, beaucoup de concentration, moins de téléphones qui sonnent en classe. Voilà. <laughs> kenan da ita wannan ana yin da ita kirki ka cikin ka cikin vocal mu